Le vous allez voir en 2019 tableau regardez le 15 juillet 2019 Je me senti la situation d'une certaine manière j'ai écrit à mon ministre de tutelle Oumar vous avez la lettre sur le voilà suis dit la lettre je moom la lettre le 17 deux jours après envoyez la situation financière de Dakar Demdik. Envoyez au ministre des finances Le ministre des finances recevoir vous allez le voir 9 août adressé à M. Ablaïda Oudjalo. Diallo attention Dakar Dem vous leur devez de l'argent vous devez payer le DG de Demdik nous a alerté parce que la situation bi également Dakar Demdik, vous avez une compensation nous ñun pas ko mais dañuy jékki-jékki état bi néna ñom ñokoy dans les grands comptes Si nous ko soxlo ñun ñu def euh, euh, demande d'engagement ne li une soxlo pour fay salaire Nous, le ministère des finances def mandat du montant pour ñu mëna fay salaire mais dama jog rek gisatuma xaalis fu mu jaar ñu état bi dafa am ay tension de trésorerie jël bi orienté ko fayé ko Nous bor il faut être clair day daw à perte. D'accord, Dakar Dem que ces tarifs mosuñu ont changé depuis 1998 compensation bi ñëwé c'est au forfait lu la 7 milliards 4 milliards. lay jox mu am lu daan de compensation Le carburant bi yokku na en 1900 en 2003 je pense que le carburant c'était 325 francs légui mi a 600 et quelques 660 même le prix est le même kooku le gagner. ça ne peut être que déficitaire si je dis que 2 milliards 800 mi ngeen le titre bi disparaître je suis parti voir le ministre des finances comment ça se fait que nous nommons pas par décret Nous nommons par décret Nous avons suñu xaalis mu war dem dikk boo ko waree vous da ngay ñëw ah DG ñun problème au niveau du ministère des finances Nous avons le chalice pour lii mais avant date fin du mois nous avons fait salaire nous avons la ko delloo moo mais dama j'ai jékki rek xaalis bi di réer ma wara a fay salaire gisuma j'ai interpellé mon ministre war naa la lettre bi sama ministre interpellé ko mais man aussi ma interpellé ko bo ma gisé ni bougé wul ba ma ko jël aussi copie adressée à monsieur le président de la république vous le voyez en droit administratif souvent rien naan loolu moy bolé bo ma ko waxee président de la république ni ngi nii de la ci lettre vous le voyez. Reçu au palais, vous le voyez. Nous avons déjà dû écrire directement au président de la République mais su à main, il faut que je me Bon, je ma adressé lettre au président de la République le ministère des Finances réagit lettre Bangok. non c'est-à-dire non c'est-à-dire dégguma lolo, le président de la République intervenir Il m'a été donné de constater que on leur doit des arriérés, non seulement 2 milliards, je vous demande de les restituer. instruction si ba mu ñëwee ci monsieur Abdoulaye Daouda Diallo nga que ce lu c'est pas normal du tout man kenn du politiquement. xeex politique Si ba mu ñëwee ci moom mu jël courrier man comment attaquer je sors les preuves à 4 octobre 2019 c'est le 15 juillet là, commencé à faire L'État a pris les dispositions de vous rembourser le tout ça signifie que ce ma pas un raté le coche man m'a lié. les salariés vont sortir parce que c'est un salaire non ils ne comprennent pas il faut que nous les les donc vous voyez à travers cette situation ça montre quelle est la situation de Demdik en 2019 jusqu'à ce que les hautes autorités interviennent pour tordre le bras Qui ne sait pas... cest suñu mais il des gens sur le plan politique mais il a fallu ma jaar fi pour mu am que le président de la république a été bind da ngay tok la ça c'est la preuve le que pour 2017 2018 l'État du Sénégal doit encore à Dakar de 4 milliards 9 Soit si bolé 2019 ça fait 7 milliards 381 millions khalis bobu man boma fay nek muy am ay difficultés pourquoi su ma ko le ministre des finances du ma jox pourquoi bobu ñuko ko dencee ba avec le Covid je vais venir dessus après ñu jël ko légui neen di jox ko waaj ba je génn rek jox vais ko waaj dégg ngeen conférence de presse bi oui je ngi damay def pause ici. remercier chaleureusement Abdoulaye Daouda Diallo chaleureusement ndax lim ma jox mais pourquoi man mënuñu ma ko jox pour liggéey c'est signifique diñ ko serré ba mu tàng nous, ñu ne moom Moussa Diop ni ko tax parce que profiter nañ ci benn occasion l'histoire du troisième mandat mu jam mu ni bon léegi nag kii ñu fi indi ni nga ko jox ñu ne ngi vous avez tout compris ensuite je viens sur situation euh, économique, financière, pour Moi, je vous donne des preuves dessus. Ensuite, vous constaterez que mois de mars 2020, pandémie Bidougou, Bob pandémie qu'est-ce qui s'est passé Ligue gens qui nañ au Sénégal depuis que je suis venu. Je suis venu à J'ai jël société bi yóbbu ko fu musul egg Sénégal muy dox à l'heure di dox de façon sécurisée dans le confort accident routier ñun xamuñu ko ça peut arriver mais c'est exceptionnel gérer les chauffeurs te mag leen di remercier au passage ci comportement bobu ñu am depuis que je suis là-bas lu am fu ñu waree grève man leen may leen man mo wax ak ñi ñu ne ma ni lay dàq de man may leen ma donc ma leen doon waxal donc bu ñu doon naan quelque fois ñu naan Moussa Diop Force One c'était le premier syndicaliste damay dem revendiquer pour ñom balaa muy egg ci fële ñu continuer seen liggéey te loolu pendant six ans c'était une méthode également mais pandémie ba mu ñëwee au mois de mars état bi jël ses responsabilités ne Sénégal dem dikk bi nga xam les tarifs ne sont pas du tout fixés ñun ñoo ko fixé tarif yooyu di dem fépp ci Sénégal état bi nee na arrêté leen Sénégal dem dikk bu doon indi xaalis ñu gaare bus les chauffeurs les travailleurs ils doon liggéey yëpp dañu mu dem Ils ñu leen di fay ñetti weer durant gratuitement président ne bu leen laal salarié deuxième chose nous avons woon ay ligne aéroport AIBD navette guddeeg 24 heures sur 24 Nous avons tëj aéroport Gare gaare leen recette troisième chose ñu créé Afrique Dem Dikk mu commencé dox nous avons une frontière terrestre amul donc bis buy zéro recette ces salariés là sont chez eux ñu ni école yi convention yi xam nga ñoo yóbbu yi ci école ñu ni école yi nañu non trabajo non dinero amuñu xaalis foofu amatuñu mais urbain bi ngeen di gis bis yi ngeen gis urbain bi état bi si quelqu'un est bus, 80 personnes dans le bus, il y 13 lignes. Pourquoi 13 Parce que demi-place, nous sommes assises. Le bus de 27 places, il y a 13, moitié. Donc, on a commencé à consommer 40 litres de sang, avec 13 personnes, point A à point B, il on a une perte en temps normal, assentement. Il y a donc si nous sommes urbains, bi recette 20 millions la par jour urbain bi rek waxuma le Sénégal dem dëkk Afrique dem dëkk ak contrat mais urbain bi ngeen vous gis c'est 20 millions par jour Covid bi nous ñu imposé ñu ay normes ñu mujj retrouvons avec 3 millions par jour mais fan ngeen ciy mën a génn état bi taxaw di ans. lu nekk wax nga ko ñu ñu taxaw di ans. donc c'est pendant ce temps là on paye les salaires amul kenn a ma dagg sa salaire parce que la haute autorité n'est pas là donc man ba que fa nekkee li je def que situation aujourd'hui euh, en 2020 nous avons ñu impact impacté le Sénégal ci euh, la pandémie Le tourisme c'est le bon. parce que y a des ñëwatul mais transport bi nga le transport, c'est arrêté bon. le bokk waxuma sax au niveau de Dakar Demdik. c'est une information qui n'est pas secrète maintenant